donc je m'appelle Simon Gom, et je suis sénégalais je fus neuf fois champion du Sénégal de boxe française entraîneur national directeur technique et Lion d'or en 99 décerné par le président de la République du Sénégal donc euh, ma aussi vraiment. Nous ma partager avec vraiment les hommes avertis je veux dire les hommes vraiment de sécurité plus particulièrement et quand je vois qui ma qui sont li ma sur les euh, réseaux sociaux donc euh, quand on voit le président ñu otom euh, wala otom di bëgg tac ñu évacuer ko euh, wala ñu pousse ko niñ et quand je parle et que les hommes avertis savent que euh, vraiment on est en danger par rapport à la sécurité rapprochée parce que nous savons wala je veux dire que même les artistes euh, de renommée internationale nous sommes en sécurité le président et ça ça nous ça nous fait mal au cœur ça nous fait très très très très mal de près ou de loin ça nous fait très mal parce que les sénégalais nous

dañ ko boole ak leneen donc sécurité ça n'a rien à voir avec la politique euh, je respecte les politiciens je les je les respecte beaucoup je sais que je les respecte euh, mais ce qui se passe ça doit vraiment ne plus jamais se passer président vous il y a am incident mënuñu ko sax évacuer lu dul dañ koy waxtaanal naka may taxawel y a des protocoles yoo xam du xaar warul xaar ba ñu déclenché ko am na programme ñooy déclenché seen bopp et on homme averti protocole 5 du xaar warul xaar ba ba mu jot c'est les agents qui doivent le déclencher qui doivent le déclencher et je donne pas des cours je suis loin de, de donner des cours mais quand je vois l'ancien de la, euh, les anciens de la Bible les anciens de la GIGN je sais que ne seen cœur dañ toog dañ jooy buñ gisee li xew ci télé bi ils vont pleurer ils vont pleurer, ils auront beaucoup de mal c'est le de naqari ci euh, sécurité pour évacuer autorité et ça c'est un problème vous êtes des hommes avertis sécurité pour ñu audité du sécurité pour amour, audit du sécurité pour politique doudem. il y a des gens qui sont capables d'assurer la sécurité vraiment euh, du président mettez les gens qu'il faut à la place qu'il faut on peut politiser beaucoup de choses, mais il y a certaines choses, on ne peut pas les politiser. C'est impossible. Il y a des gens qui savent le faire. Dieu sait, Dieu seul sait que vous savez aussi, les hommes avertis, qu'il y a des gens qui savent le faire et qui peuvent le faire. Appelez ces gens-là, asseyez-vous euh, autour d'une table, corrigez ce qui est arrivé. Ça, ça nous, ça nous, ça nous fait très mal. D'habitude, on n'a pas l'habitude de parler. Et d'habitude, on n'a même pas besoin de parler. Parce que quelqu'un ou Satan, pour qu'il sache mais si nous avons je pense que nous sommes nous c'est dommage euh, constater mais aussi am a avantage inconvénient c'est triste triste triste euh, de non. mais vraiment je tenais à faire cette vidéo là et j'espère que ça pourra réveiller certaines consciences de arrêter de tirer de, tirer à gauche et à droite gendarmes et policiers militaires Nous ñoo de sécurité Sénégal c'est pas que pour les gendarmes c'est pas que pour les gendarmes et c'est pas que pour les policiers et c'est pas que pour les militaires ensemble vous devez vous entraîner ensemble. Vous devez faire les protocoles ensemble. Et vous devez vous entraîner ensemble. Et vous devez ne que faire ben Mais si vous continuez à vous dire que les gendarmes sont les meilleurs, les policiers ne sont pas les meilleurs, les militaires sont les meilleurs, ce qui arrive aujourd'hui, vous portez le double. fait le wax, Mais quand vous voyez que filmé, nit daw filmer, sécurité évacuation zéro taxaw gungé taxawel ni vous savez que vraiment les gens que vous ont formé vraiment aujourd'hui ils ont honte ils ont vraiment honte de voir euh, niveau sécurité fu mu toll ci Sénégal ak ci président ak risques yi am yépp ak enjeu bi ci Sénégal enjeu bi nek ci sous-région bi noona vraiment suñu xol dafa dag dafa dag ba wax ak lañ mën def mais joy sax passé nañ ko please ngir ngir la sécurité c'est pas une affaire d'une seule personne la sécurité rapprochée c'est pas va tirer ou savoir va euh, monter des des, des, des des étages ou va... c'est métier le bu métier sécurité rapprochée métier et Dieu me témoigne il y a des experts qui sont au Sénégal qui peuvent le faire qui ont eu à faire beaucoup de choses. Appelez les anciens. Les gars, l'heure est grave. Quand on voit ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, l'heure est grave. Le président n'est pas en sécurité. Et quand le président n'est pas en sécurité, ben sénégalais ci nous couche fou a en sécurité mon nek en sécurité c'est impossible donc je me présente encore une fois de plus et m'excuser vraiment ci d'habitude euh, nous sax suñu éducation tempérament pour Dougal ko ci mais l'heure est grave si on voit le président en train de di un taxi incident bu mu taxi bravo à ceux qui ont eu à réagir bravo à ceux qui ont eu à réagir à temps et à l'heure mais remettez-vous à question remettez-vous à question si on vous ne vous remettez pas à question vous sombrez l'État et sombrez l'État ça veut dire État bu amul sécurité nit ñi duñ pas liggéey wax ji mais il faut que nous ñi liggéey pour nit ñi soyons en sécurité Macky n'est pas en sécurité excuse-moi du terme président vous n'êtes pas en sécurité président à votre place ñëpp naa leen duma leen ndax euh, sumi mais dina un ndax ñu dem remettre ces hommes à question mettez des hommes qu'il faut à la place qu'il faut ça c'est le message que je tenais à dire et faire passer cette vidéo là à tout un chacun des hommes avertis qui savent vraiment et nous xam la de sécurité la sécurité plus particulièrement rapprochée ils ne vont pas dormir ils auront honte de voir ce qui s'est passé aujourd'hui donc je m'excuse encore une fois de plus alaikum wa